le forum du studio le forum du studio Calamcom le forum du studio Calamcom le forum du studio Calamcom le forum du studio Calamcom le forum du studio Calamcom le forum du studio Calamcom le forum du studio Calamcom le forum du studio Calamcom le forum du studio Calamcom 18h passé de 15 minutes en Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 31 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du Studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré au contrôle technique des automobiles, opportunités et contraintes. Avec nous ce soir pour développer ce sujet, Aboubakar Akibou, représentant la direction générale de la Société nigérienne de contrôle automobile SNCA. Bonsoir. Avec nous également euh, Gamache Mamadou Yansambou, secrétaire général du syndicat national des conducteurs de taxi, euh, le Cinco Taxi. Gamache Mamadou Yansambou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le Niger est l'un des pays qui enregistre le plus fort taux d'accidents de la route dans la sous-région ouest africaine. La défaillance technique est l'une des principales causes des accidents de la route. C'est pourquoi la visite technique pour tous les véhicules a été obligatoire par décret numéro 2004-170 PRN MT du 25 mai 2004 et ainsi, un centre de contrôle technique moderne a été créé et opérationnel depuis 2010. Aboubakar Hakibou de la Direction générale de la Société nigérienne de contrôle automobile SNCA, qu'est-ce que c'est que la visite technique Merci beaucoup euh, d'abord de nous avoir invités, Radio Kalangou, pour effectivement édifier nos concitoyens sur l'importance de la visite technique. Donc, euh, la Société nigérienne de contrôle automobile SNCA comme vous l'avez si bien dit, euh, procède euh, au contrôle technique des véhicules. Donc euh, on a commencé nos activités en 2010. Donc ce contrôle technique de véhicule consiste à voir l'état général des véhicules, à savoir d'abord l'identification du véhicule, voir les visibilités et les signalisations au niveau de direction, voir si le véhicule n'a pas de problème au niveau du parallélisme, les suspensions, le freinage, les liaisons au sol, les, structures caractéristiques du véhicule. Donc, ce contrôle, effectivement, comme vous avez rappelé, est nécessaire car la visite technique est encadrée par certaines lois communautaires, telles que la directive de l'UMOA sur le contrôle technique. Aussi, elle est encadrée par la loi 2014 portant code de la route. Donc, euh, ce contrôle, effectivement, est très important parce que sur le PIB de nos États, effectivement, les accidents ont une grande part. Ça peut être à peu près 3% de notre PIB qui va dans euh, les problèmes d'accident. Quelqu'un il y accident, il y a le facteur humain et le facteur mécanique, à savoir le véhicule et l'état des routes, bien sûr. Donc c'est un facteur très important de contrôler les véhicules pour sécuriser nos routes et effectivement faciliter euh, les transactions pour les hommes. Alors, quels sont les moyens d'action, c'est-à-dire les compétences, les machines, au recours à un régulateur, par exemple Donc, euh, le contrôle technique de Niamey, présentement, dispose de, techniciens vraiment valables, parce que nous avons l'expertise tunisienne, et ces techniciens-là ont été formés euh, dans le cadre réellement des inspections de véhicules. Aussi, pour le matériel, l'équipement que nous avons, c'est d'Actia Müller donc elles sont allemandes. C'est quoi ça veut dire Atia Müller, c'est un constructeur quoi. Donc nous, c'est le bilan matique 10 000 qu'on dispose comme technologie. Donc euh, c'est pour vous dire réellement que euh, c'est des outils de pointe présentement sur le marché du contrôle technique des matériels. Alors euh, est-ce une obligation la visite technique La visite technique effectivement comme on l'a dit, il y a la loi 2014 portant code de la route qui oblige les usagers à faire cette visite technique. Et aussi, euh, elle est encadrée réellement par euh, le décret dont euh, vous venez de le dire, de, 2004. Et aussi, l'État a tout intérêt pour sécuriser nos routes parce qu'effectivement, les accidents coûtent cher aux citoyens. Aboubakar Hakibou, que faire si des anomalies sont constatées chez un client, par exemple Donc, lorsque le véhicule se présente au centre, après le contrôle, si il y a des défectuosités significatives qui peuvent porter atteinte à la sécurité du véhicule et ou occasionner des risques pour les usagers de la route, le véhicule est ajourné. C'est-à-dire, il n'a pas sa visite technique. Donc on l'ajourne, on lui donne un document pour qu'il aille faire des réparations, revenir, et on va constater si réellement le véhicule ne constitue pas euh, de, de, problème grave. Dans le cas où la défectuosité n'a pas réellement d'effet immédiat sur la sécurité du véhicule, on fait ce qu'on appelle un appui conseil. Voilà, monsieur, bon, le véhicule, il a certes des défauts, mais qui ne peuvent pas atteindre immédiatement, euh, qui ne sont pas réellement très graves, quoi. Mais néanmoins, nous vous conseillons de faire ça, de faire ça pour le véhicule et pour vous-même. Parce que vous savez, il y a certaines pannes, quand vous arrivez à les, à les réparer à temps, ça vous évite réellement d'autres frais. Et donc, euh, il y a ces deux. Dans le cas où le véhicule ne présente pas euh, de défaut apparent euh, sur le champ, donc on sanctionne le véhicule par l'octroi de sa visite technique. Alors, euh, quelles sont actuellement les données disponibles depuis l'installation de la euh, SNCA, euh, les recettes, les destinations, l'amélioration de l'état des véhicules du parc de la capitale Pour le moment, nous ne disposons pas de statistiques réelles. On ne peut que constater que depuis que la SNCA est là, effectivement, il y a des usagers qui ont pris conscience de la nécessité d'inspecter leurs véhicules périodiquement. Certains aussi, lors de certains voyages, se présentent au niveau du centre pour réellement qu'on inspecte leur véhicule, voir l'état euh, général du véhicule. Et certains, effectivement, aussi se conforment par rapport à la loi. Périodiquement, ils euh, font leur visite technique. Aboubakar Karakibou, quels sont les véhicules qui sont concernés par la visite technique La visite technique euh, concerne les véhicules particuliers, c'est-à-dire le commun de mortel, qui tu l'utilises pour toi-même, les véhicules de transport, de personnes comme de marchandises. Et les véhicules euh, CD, TT, IT et tout autre engin roulant sur le territoire. Aussi, pour les motos dont la cylindrée est supérieure ou égale à 125 cm3. Quelles sont les différentes étapes à suivre pour euh, la visite technique donc euh, la visite technique, d'abord vous présentez au niveau du centre avec le véhicule et les documents du véhicule, à savoir pour le, particulier sa carte grise. Et en ce moment, vous vous enregistrez au niveau du guichet d'enregistrement. Là, nos contrôleurs prennent en charge le véhicule. La première des étapes, c'est d'abord euh, faire l'analyse de gaz. Après, le véhicule, il passe sur euh, la plaque euh, de ripage pour le parallélisme communément appelé. Ensuite, on stabilise le véhicule sur les bandes de suspension. Après ça, on passe au freinage. Après les freins, le véhicule et stabilisé au niveau des plaques à jeu pour voir le bas de caisse du véhicule. S'il n'y euh, a pas euh, des rotules ou des cylindres en mauvais état, s'il n'y a pas de fuite d'essence ou euh, d'autres hydrocarbures. Et aussi, en ce moment, on avance au niveau du réglophare pour voir la luminosité des phares, voir les signalisations et les rétroviseurs, hein, intérieurs comme extérieurs et euh, en ce moment, le véhicule finit, parce qu'il y a deux étapes en ce moment. Il y a la partie mesure, les mesures. La partie mesure, ça veut dire Ça veut dire que quand, par exemple, euh, vous passez sur les bancs de ripage, c'est déjà enregistré. Suspension, c'est enregistré. Freinage, c'est enregistré. Et là, quand euh, vous finissez, on imprime une fiche qu'on appelle le rapport de technique, le rapport technique, qui donne les détails et les mesures que les appareils ont pu détecter au niveau du véhicule. Donc ça, c'est euh, l'état du véhicule au moment où il a fait le contrôle. Donc ce rapport, on le tire. Donc, et la deuxième partie, c'est la partie visuelle. À savoir, il y a cette partie où c'est l'homme qui intervient en ce moment, voir euh, s'il n'y a pas des rotules cassées, si les silos blocs ne sont pas euh, à changer et autres. Donc ce centre est d'une importance capitale pour les usagers. Ah oui, ce centre est aussi un centre de référence dans la sous-région même. Et c'est capital, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous partez faire euh, une réparation, vous ne pouvez pas savoir réellement si la réparation a été correcte ou pas. Vous pouvez juger, mais vous n'avez pas de mesures. Donc certains, par exemple, avant de partir au niveau de la réparation, viennent chez nous et après réparation, ils viennent et on leur donne réellement, euh, on quantifie réellement, par exemple, pour les suspensions, leur efficacité globale s'il n'y a pas de dissymétrie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence euh, d'efficacité entre les deux roues c'est ça l'importance justement euh, du contrôle technique. Gamache Mamadou Yansambou, le secrétaire général du syndicat des conducteurs de taxi, le Ben 5 Taxi, Gamache Mamadou Yansambou, comment vos membres apprécient-ils les opérations de la visite technique C'est vrai que le centre euh, s'est installé euh, en 2000, si je me rappelle bien, c'était ça, non Oui, bien avant ça même, nous, on faisait la visite technique. Mais comment on le faisait C'est juste euh, des agents du ministère hein, qui viennent constater de visu, ils prennent le véhicule, ils font le tour. Bon. Euh, nous considérons que c'est juste des formalités parce que euh, la loi a exigé, mais il n'y avait pas les moyens quand même de faire cette visite technique. Donc après, on a mis le centre, la visite en concession. Il y a le centre est arrivé, ils ont commencé à travailler. C'est vrai que normalement, dans le carré de charge de la, euh, du centre, devrait quand même euh, aller partout, dans tous les pays, dans tous les chefs-lieux de région, normalement. Bon, je ne sais pas pourquoi, il saura nous, dire les raisons euh, pour effectuer ces visites techniques. La visite technique, elle est très importante. Elle est très importante parce qu'elle te permet de savoir en temps réel quelles sont les défenses au niveau du système de freinage, au niveau de la suspension, au niveau jusqu'au euh, à la carburation, n'est-ce pas Donc, c'est très important. C'est comme les humains. Un humain, tu te lèves un jour, tu, tu vas à l'hôpital, tu vas, on te fait un bilan de santé pour voir <laughs> qu'est-ce qui ne va pas. Parce que tu es là, tu penses que tu, tu es normal, parce que tu, tu cours bien, tu dors bien, tu, tu penses que tu n'as pas de problème. Et tu sais, bah, au fond, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est en train de, germer une maladie. Donc si tu n'es pas parti diagnostiquer, tu ne pourras pas savoir effectivement ce que tu as en cours ou en question. Donc c'est la même chose. C'est pourquoi l'État a hein, euh, fait de ça une obligation. Donc ça c'est très bien. Mais euh, normalement, on doit suivre pour que le cahier de charge de la société soit quand même respecté de bout en bout. C'est-à-dire C'est-à-dire être partout. Être partout dans le Niger pour permettre aux autres aussi d'en profiter. Parce que la sécurité, ou bien, euh, ce n'est pas seulement à Niamey. C'est comme si maintenant, le centre est à Niamey, oh, l'État s'en fout. Donc celui qui a eu la concession, bon, lui, il n'a pas les moyens. Peut-être pour d'autres raisons aussi. Donc, on refuse de sécuriser ceux qui sont à Dosso, par exemple, ceux qui sont à Tawa, bien qu'on sait que c'est important. mot, vous parlez de la politique d'extension vers euh, l'intérieur du pays. Oui, si réellement il y a nécessité, et si réellement le cause des accidents, le facteur véhicule est là, donc, et on a estimé qu'il faut une expertise ou un centre qui dit que voilà, voilà. Donc, normalement, depuis 2000, hmm, avant 2002, 2003, il devrait être partout, même si les centres ou même les, ceux, qui ont, ceux, qui sont, ceux qui ont investi n'ont pas les moyens, l'État peut les accompagner. Peuvent les accompagner. On peut trouver des mesures d'accompagnement ou entre eux voir comment on va faire si eux-mêmes ne peuvent pas ou voir quelqu'un qui peut faire aussi, par exemple à Dosso, à Tawa, dans le cadre du partenariat euh, public-privé. Donc c'est vraiment une très bonne chose, la visite technique. Bon, là où on peut dire peut-être que, bon, au Niger, nous savons que nous avons un, grand, un parc important. Et 98 ou 90% de nos véhicules ne sont pas des véhicules achetés quand même hein, euh, dans les maisons euh, de concession ou comment, euh, comment on les appelle. Mhm. Donc nous achetons ce qu'on appelle les France au revoir. les véhicules d'occasion. Les véhicules d'occasion en un mot qui nous viennent de la France, comme ça, qui sont déjà été réprimés par ces, par ces appareils-là. Bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas important parce qu'ils sont venus. On a toujours besoin parce que c'est au moment où ça prend de l'âge qu'on a besoin quand même de savoir ce qu'on a comme euh, défaillance. Donc, en un nous, en tant que conducteur de taxi, euh, nous le faisons. On fait, on paye des frais, plus chers même que maintenant. Mais à ce moment, c'est pas avec même des appareils. C'est dit, c'est un individu qui vient, tu, bon, c'est un agent du ministère, peut-être il n'est même pas. C'est un mécanicien, il vient, il dit Ok, c'est bon, c'est bon. Euh, Gamaki Mamadou vous reconnaissez l'importance de la visite technique, mhm. mais euh, pourquoi certains de vos membres hésitent ou traînent les pieds avant d'effectuer cette visite technique Non, nous, c'est-à-dire au niveau des taxis, on, nous l'impose. C'est trimestriel, je ne sais pas les particuliers. Mais les taxis, tous les taxis, en tout cas, reconnus euh, formellement, font, font la visite technique parce que <laughs> au cours de contrôle de la police, quand tu n'as pas cette visite technique, c'est la fourrière. C'est la fourrière. Et même la procédure, dans la procédure de mise en consommation d'un taxi, tu es obligé de passer par la visite technique. Ça, c'est, ça, c'est le préalable, même si je peux le dire. Donc, le, reçu ou bien le carnet ou l'attestation de visite technique, là, si tu n'as pas ça, on ne te donne même pas on euh, tu donne pas le récipient. tu, as dit tu ne peux pas avoir. Euh, tu peux pas circuler. Parce que nous sommes, nous, chaque fois, nous sommes, on, nous contrôle. Donc, c'est pourquoi je t'ai dit, avant même que euh, le centre la vienne, nous déjà, on faisait la visite, on nous, les, on, on nous l'impose. Oui. Donc, c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut que chaque région profite ou bénéficie de ça. Parce que c'est un facteur qui est là, qui amène beaucoup d'accidents. C'est-à-dire trois facteurs donc si on arrive à circonscrire quand même les défenses <laughs> au moins, au moins on, on, aura fait quelque chose pour diminuer et en tout cas les risques d'accident. Parce que souvent tu roules, tu penses que ta voiture est en bon état, mhm. mais, écoute, la suspension là, souvent tu vois, tu es là dans les, agglomérations, tu vois que c'est bon, mais si tu roules à 120, 140, c'est pas la même chose. Ce hein. C'est pas la même stabilité. Donc, pour le connaître, là, c'est pas un mécanicien. C'est pas un mécanicien qui va. Un mécanicien, il peut réparer. Il peut faire ses petites révisions, ou bien ses, petites euh, expertises. Mais euh, les appareils, eux, ils te disent. Même si euh, les, amortisseurs n'ont pas la même pression, ils te le disent. Hein. Ça, c'est clair, c'est technique. Donc, il n'y <laughs> a, rien, Et le centre, il faut reconnaître, le centre que nous avons, c'est vraiment c'est, une, une, référence. Nous l'avons invité à, l'ouverture et on continue à aller là-bas, nos camarades continuent à aller Vraiment, ces appareils qui sont là, ils sont vraiment, qui répondent aux normes internationales. On n'a rien à les, reprocher. Et nous savons qu'ils ont été formés par, quand même, nous avons des Tunisiens ou des Marocains. Damachi Mamadou Yansambou, est-ce que vos membres, c'est-à-dire les conducteurs de taxi, tous connaissent l'importance euh, de la visite technique Oui, ils connaissent. Et on continue à, les expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça notre rôle. Vous avez l'habitude de faire des séances de sensibilisation à leur endroit Oui, on a l'habitude de les dire que euh, bah, pas de séances formelles un atelier ou un séminaire. J'espère que peut-être que le centre peut, organiser ça à notre endroit d'abord, nos, dirigeants ou les responsables, et ensuite peut-être euh, transmettre ça aux militants. Mais il y a beaucoup qui connaissent l'importance et il y en a qui ne savent pas, il y en a qui disent que ah, c'est juste une formalité. Et donc, euh, c'est ça. Hmm. Mais en tout cas, la vie technique, <laughs> elle est très importante. Parce que même pour toi, même si on ne pas t'imposer, tu as besoin de savoir. Avant même, <laughs> avant le truc, souvent avant d'aller, tu vois, tu vois des gens, avant de, voyager, ils disent à leur mécanicien de venir prendre le véhicule, voir ce qui ne va pas. Faire vidange, faire ceci, est-ce que, est que je peux aller ici, voir la pneumatique, tout ça là. C'est important pour toi, parce que c'est ta vie. <laughs> quand tu fais un accident, qui va <laughs> C'est toi. Hein Oui, c'est toi d'abord. Parce que si tu as des pneus usés, tu ne sais pas où viennent des pneus euh, je ne sais pas comment on appelle ça, tu vois, visiblement tu penses qu'elle est bonne, mais les crampons, tout ça là, mais à l'intérieur c'est différent, tu ne peux pas le savoir toi. Hmm? Aboubakar Hakibou de la direction générale de la société nigérienne de contrôle euh, automobile. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux propos de Gamachi et Mamadou Yansambou Oui, effectivement, c'est pour euh, rassurer M. Gamachi, camarade Gamachi, <laughs> parce que vraiment c'est un des acteurs qui aujourd'hui sensibilise beaucoup nos usagers. Bon, j'aimerais le rassurer que depuis, ça fait un mois et demi que nous avons envoyé des agents à l'intérieur du pays et nous avons demandé au ministère des Domaines de nous donner des emplacements pour que nous puissions réellement construire des centres partout dans le pays. Présentement où je te parle, il y a des agents, à, il y a un agent à Tawa, non pas Tawa, Agadez, Maradi, Dosso, Zender et Tilaberi. Et on leur a demandé d'aller prendre contact avec le ministère du Domaine parce qu'ils sont partis avec des lettres pour que nous puissions avoir des centres à construire. Donc, les régions qui réellement euh, les premiers à nous répondre favorablement auront euh, leur centre, Inch'Allah, euh, bientôt. Parce que ce souci, cette société-là depuis sa, prise d'activité. Depuis 2010, c'est quand même il y a 7 ans que, vous exercez. Effectivement, mais l'exercice. n'a pas été effectif et on a eu beaucoup de contraintes, même pour démarrer. Lui, Gamatier peut témoigner. Parce qu'il y a eu des communiqués qui, malheureusement, sont venus dire que la visite n'est pas obligatoire et les usagers en ce moment ne partaient pas à la visite. Donc cette société, si réellement on l'avait donnée euh, cet appui, aujourd'hui, on serait installé partout parce qu'il y a cette volonté. Parce que la première volonté, il faut voir comment ils ont construit cette société. C'est vraiment des euh, derniers cris en matière de matériel de contrôle et d'inspection technique automobile. Aboubakar Kibou de la Direction générale de la Société nigérienne de contrôle automobile SNCA. Aboubakar Akibou, quel est le coût d'une visite technique et par catégorie Merci. Donc, euh, on va commencer d'abord par euh, les véhicules de transport. Euh, d'abord des personnes, à savoir les taxis et les faba-faba. Bon, pour les taxis, c'est trimestriel et la visite technique coûte 4000 francs et vous avez un timbre de 2000 à apposer sur votre visite technique. Pour ce qui concerne les Fabo Faba, elle est de 6000 et 2000 pour euh, le timbre fiscal que vous allez apposer sur euh, la visite. Si pour les véhicules particuliers, pour les petits véhicules particuliers, c'est 8000 francs. Pour les 4x4 et les stations wagons, c'est à 10 000 francs. Et pour les pick-up aussi, c'est à 10 000. Pour ce qui concerne aussi les tracteurs routiers, c'est à 10 000 francs. Et pour ce qui concerne euh, les semi-remorques, c'est à 10 000 francs. Donc le maximum, c'est 10 euh, 000 et le minimum, c'est 4 000 pour la visite technique. Et je vous dis que dans la sous-région, tu ne peux pas trouver euh, moins que ce que nous, nous proposons compris. Alors, Aboubakar Akibou, si pour euh, les taximans, euh, les euh, véhicules de transport en commun, c'est trimestriel, qu'en est-il pour les véhicules personnels Pour les véhicules personnels, la visite technique est annuelle. Donc c'est. Ça veut dire que chaque année, il faut faire. Voilà, chaque année il faut reprendre sa visite technique. Alors, tout à l'heure, vous disiez que votre centre euh, de visite technique, là, c'est un centre de référence. Est-ce que vous recevez des véhicules euh, d'autres pays de la sous-région aussi Effectivement, parce que, vous savez, certains pays tels que le Burkina, quand l'autorité routière, par exemple les policiers, vous arrêtent, ils vous demandent d'abord la visite technique avant tout document. Donc, de telle manière que, aujourd'hui, ces véhicules étrangers, quand ils viennent au Niger, lorsque la visite va s'expirer, immédiatement ils viennent. Ils viennent immédiatement reprendre leur visite technique. Parce qu'il y a Abidjan, l'année passée, il y avait euh, un sommet qui a été fait pour harmoniser le contrôle technique dans notre sous-région. Et je profite aussi de l'occasion pour vous dire que euh, le directeur général, M. Ibrahim Bedari, est le président de l'Association africaine des inspections techniques automobiles. Oui, oui, oui. Ah oui, il est, c'est un mandat de deux ans. Ah oui, c'est un mandat de deux ans qu'il a pour vous dire réellement euh, le sérieux et la confiance que les autres États portent à notre pays. De telle manière, vraiment, euh, nos autorités compétentes doivent appuyer euh, cette société afin que réellement nous puissions couvrir l'ensemble du pays. Aboubakar Hakibouz, par exemple, si un Burkinabé euh, vient pour euh, faire la visite technique euh, au Niger, est-ce que le récipice que vous lui donnez est valable dans son pays ah, Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Au Burkina, aujourd'hui, quand vous quittez le Niger pour le Burkina Faso, si vous n'avez pas votre visite technique, mais on vous refoule. Carrément, à la frontière, vous revenez. Et pour vous dire réellement, l'importance qu'ils donnent à, cette visite technique. Parce que c'est très important que le véhicule réponde aux normes. C'est tous les usagers qui euh, doivent se conformer par rapport à la loi, au code de la route. Parce et, que, et ceux qui ne le font pas Ah, ceux qui ne le font pas, il y a des autorités <laughs> pour cela. Parce qu'il y a des autorités qui sont là pour préserver et garantir euh, l'application des textes et des lois de la République. Boubou est-ce qu'il y a des défaillances qui peuvent entraîner l'immobilisation d'un véhicule euh, dans les textes, effectivement, il est prévu que si le véhicule constitue un grave danger pour la sécurité, qu'elle soit immobilisée. Mais pour le moment, elle n'est pas effective sur le terrain. Quand on n'a pas la vignette ou bien quand on n'a pas l'assurance, est-ce qu'on peut effectuer sa visite technique euh, Pour le moment, euh, effectivement, avant, M. Gamatier peut le confirmer, quand vous venez à la visite technique, pour ce qui concerne les véhicules euh, de transport, on demande certains documents, caisse, vignette, assurance et les autres documents. Donc, euh, mais pour le moment, nous, on ne demande pas ces, ces, documents. Vous avez votre carte crise qui répond, qui réellement, on sait que c'est pour le véhicule. Vous pouvez faire votre visite technique. Même si c'est un véhicule neuf, on peut faire la visite technique Oui, la visite technique, c'est pour voir l'état du véhicule. Parce que tu peux avoir des véhicules neufs, mais qui ont des défenses graves. Et tu peux avoir des vieux véhicules, mais qui sont vraiment, qui répondent aux normes. Gamaki Mahamadou Yansambou, secrétaire général du Ben 5 Taxi. Quelles sont les autres difficultés de vos membres pour accéder à la visite technique Bon, euh, les difficultés, vous avez parlé d'une là, par rapport aux documents, souvent, on avait commencé à demander certains papiers où nous avons estimé que ce n'est pas normal. La visite technique, c'est pour le véhicule, donc si un taximan vient, s'il a c'est... comment on appelle ça, sa carte grise, et donc euh, moi, je, euh, nous avons estimé que le centre ne doit pas lui imposer certains documents avant, avant la visite technique parce que euh, les policiers sont là pour contrôler quand même euh, la conformité du papier ou bien du dossier du, du taxi. Donc, euh, par rapport à ça, je pense que depuis un moment, ils n'ont pas, ils ont, ils ont arrêté de, d'exiger de, de, certains, certains, certains euh, dossiers. Donc aussi, nous avons des difficultés que nous avons, c'est par rapport aux véhicules qui sont là, qui ne peuvent pas, en tout cas, si on dit qu'on va appliquer, en tout cas, la loi, qui ne peuvent pas comme tu l'as dit, ils sont <laughs> obligés, si on dit, d'appliquer la loi et seront immobilisés, comme tu l'as dit. parce que nous sommes dans un pays où vraiment, euh, un pays pauvre, où on ne peut pas, et je, je viens de te dire que les taxis, que nous, les véhicules que nous utilisons sont des véhicules déjà dit France au Europe au Donc ça veut dire que depuis là-bas, ils ont été réprimés par les mêmes appareils qui sont là. Donc, euh, si on dit qu'on va respecter à la lettre. À la lettre, ce qu'il dit. Donc, il n'y aura pas quand même de taxis à Niamey. Il n'y aura pas de taxis Et quand il n'y aura pas de taxi, c'est un problème. Donc, c'est pourquoi euh, je pense que depuis euh, l'installation, on a trouvé quand même un terrain euh, avec les autorités pour voir, bon, qu'est-ce qu'on a besoin tout de suite. Et maintenant, un véhicule, un taxi, c'est d'abord le système de freinage et l'éclairage, comment on dit, les, les trucs d'éclairage tu sais qui est très important, la suspension. Donc, euh, si on dit qu'on va réprimer ou immobiliser un véhicule parce que eh, les segments ont commencé à, tu vois où le moteur est un peu défaillant, ou la carburation. Donc, on aura garé quand même 70% des taxis. Donc, euh, moi, je pense qu'en attendant que nous ayons les moyens euh, d'acheter chacun un véhicule <laughs> neuf, on va quand même voir qu'est-ce qui est faisable tout de suite et maintenant. Le jeu milieu, quoi. Donc vraiment, je pense que par rapport à ça, on n'a pas tellement euh, de problèmes. On arrive à, à, gérer parce que nous-mêmes, on dit à nos camarades, avant d'aller, il faut t'assurer d'abord que quand même, tu as, euh, tes freins ne sont, pas défaillants. Pour toi-même, pour ta vie. Hein? aussi. Il faut s'assurer aussi que quand même, les phares, les clignotants, tout ça, là, l'éclairage, soit les klaxons. Oui, les klaxons, tout ça là, parce que c'est la mode des choses. Les amortisseurs et autres là, et les rotules, les rotules, euh, les bloc tout ça là, il faut que tu vois que, il faut un peu arrêter quoi, tu vois non. Donc vraiment par rapport à ça, je pense que jusqu'à présent on n'a pas de problème. Bon. Euh, Mamadou revenons par exemple au coût. Est-ce que vous trouvez les coûts abordables Je t'ai dit qu'avant on faisait <laughs> plus cher que maintenant. Avant même que c'était les individus qui nous, qui, qui nous font ça comme ça, euh, <laughs> mais on payait, on, fait, on, payait plus cher que maintenant. Moi, j'estime que c'est moins cher. C'est 4000 francs qu'il prend. 4 francs par taxi, par trimestre. Donc, je pense que c'est très, c'est abordable. Et 2000 francs pour, pour le timbre, c'est pour l'État, c'est 6000 en tout et pour tout. Donc, vraiment, je pense que c'est acceptable. 4000 francs, ce n'est pas, pas, pas cher pour, pour un taxi par trimestre selon vous, Gamachi Mamadou Yansambou, que représentent les défenses techniques dans la fréquence euh, du taux euh, élevé de cas d'accident au Niger La défense technique des véhicules Que représentent les défenses techniques du taux Mais, les, défenses techniques, <laughs> la défense technique est la base de, plusieurs, de plusieurs accidents. Oui, parce que tu vois, souvent c'est des, de système de frein qui lâchent. Hein? Et ça cause beaucoup ça cause beaucoup de problèmes beaucoup ça, ça, ça, coûte la vie à beaucoup de à beaucoup de à beaucoup de Nigériens. Donc euh, c'est comme on l'a dit hein, dans le le facteur accident, il y a le facteur comment on appelle ça technique. Donc c'est ça donc <laughs> c'est un facteur qui est là qu'il faut prendre en charge à travers ces genres de hein, partout au Niger et à travers à la sensibilisation parce que tout dépend de la sensibilisation. Bon, eux peut-être ils n'ont pas je ne sais pas, dans le cas si vous devrez quand même sensibiliser les gens. Parce que tout ce que vous êtes en train de voir comme comportement ou l'idée des gens, c'est parce que les gens ne savent pas l'importance. Oui, parce que moi j'ai l'habitude d'aller à l'extérieur avec des véhicules particuliers, mais à chaque fois on demande visite technique. Une fois à Cotonou, moi j'ai eu des problèmes avec les policiers. m'ont dit la visite technique, elle est obligatoire ici. J'ai dit, mais ici, chez vous, c'est obligatoire. Mais chez nous, ce n'est pas obligatoire. J'ai dit, mais monsieur, excusez-moi, mais vous n'êtes pas chez vous, vous circulez chez nous. Si votre, voiture a des défenses, vous allez. Aujourd'hui, si vous avez, si vous avez des défenses, vous allez tuer les gens de chez nous, pas les gens de chez vous. Il m'a dit mais excusez, mais je, l'ai compris. effectivement, parce qu'ici, on nous oblige pas, mais on nous oblige. Donc, c'est ça un peu le problème. Donc, tout ça est lié à, d'abord, je ne sais pas, avant même de commencer, ils devraient faire ce travail qu'ils n'ont pas fait. Et c'est ça que tu vois aujourd'hui, les gens disent que non, ils ne sont pas d'accord. Il y a eu un moment où on a voulu bousquer les gens tout de suite, les gens ont dit non on ne peut pas accepter. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu ce travail de sensibilisation. Pour montrer aux gens que non, ce n'est pas. Parce que, parce maintenant, les gens, quand on dit allez-y, allez-y, on voit directement que ah, c'est les gens qui cherchent l'argent, ils veulent l'argent, justement. Alors qu'il y a l'autre facteur que je ne sais pas, la, la sécurité. C'est sur ça qu'il devrait s'appuyer. La sécurité, ta sécurité, ta propre sécurité, la sécurité de tes concitoyens. C'est le travail que vous n'avez pas fait et que je pense qu'il faut rattraper. Alors, euh, Aboubakar euh, Hakibou de la Direction générale de la Société nigérienne de contrôle euh, automobile SNCA, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Gamaki Vous n'avez pas largement sensibilisé les Nigériens sur l'importance de la visite technique Bon, effectivement, la sensibilisation est très importante et nous avons fait ce qu'on a pu. mais vous savez, c'est aussi un secteur où il y a des sanctions, c'est-à-dire si on t'oblige à faire quelque chose, c'est pas de bon cœur. Certes, la communication n'est toujours pas assez. Il faut toujours communiquer. Je suis d'accord avec toi, Monsieur Gamatier. Il faut toujours sensibiliser. Mais cette société euh, a eu à faire beaucoup de sensibilisation, mais toujours les gens se disent on n'est pas informé. On n'est pas informé, on n'est pas informé. Et par voie de presse, par écrit, cette société a fait tout. Mais on vient de le dire, il n'y a jamais trop de sensibilisation et de communication. si c'est une défense, euh, vraiment, je vais proposer au DG de relancer la sensibilisation et de communiquer beaucoup pour que cette population sache qu'il y a un outil à leur disposition et c'est pour tout le monde. Et aussi, euh, je tiens vraiment à dire à nos concitoyens que euh, ta sécurité à toi et aussi la sécurité de tout le monde. Ça veut dire quoi Ton véhicule se porte bien ou ta moto. Parce que, par exemple, quand la nuit, quand tu circules, mais si il, n'a pas le feu de stop, par exemple, cette moto-là, mais tu ne peux pas le voir. Et les gens n'ont pas conscience qu'il faut réparer. Aboubakar Hakibou, par jour, vous recevez combien de véhicules pour la visite technique j'ai pas, <laughs> j'ai pas un chiffre dans la tête, mais euh, vraiment, euh, c'est, on n'arrive même pas à faire un dixième de notre capacité, même pas. On n'atteint même pas ça. Et mais lorsqu'on met la pression, les gens viennent. Alors que par exemple maintenant, il y a un communiqué qu'on a fait passer par euh, au Sahel, mais il n'y a pas d'effet. Pourtant, on a ciblé euh, certaines séries pour qu'il n'y ait pas un engorgement, parce que c'est pas intéressant de demander à ce que réellement une pression soit mise. Mais néanmoins, présentement, quand vous partez, il n'y a personne. Il suffit tout simplement de mettre une pression parce que des fois, il faut obliger les gens à le faire. Vous allez voir, on sera engorgé et puis on ne pourra pas. On va dire, ah voilà, il y, a des problèmes. Est-ce que les motocyclistes, eux aussi, viennent faire la visite technique Oui, il y a des. Ceux qui sont informés, effectivement, il y a cette information. Ou ceux qui ont déjà été, ont été verbalisés, ils viennent faire euh, leur contrôle technique. Nous en arrivons à la troisième et dernière partie de ce forum qui est consacrée euh, aux propositions pour réduire considérablement les défaillances techniques. Alors, on va commencer avec euh, vous, Gamaki Mamadou Yansambou. Quelles sont vos propositions pour réduire au mieux euh, les défaillances techniques oui, la grande part des responsabilités va vers l'État à travers le ministère des Transports qui doit d'abord mettre en fonction l'agence de la sécurité routière. L'agence Une agence qui est là, qui doit voir le jour, qui jusqu'à présent. Donc l'agence, là, son travail, c'est de travailler, d'œuvrer dans la sensibilisation et faire des actions euh, pour la sécurité routière. Donc c'est là où le ministère traîne les pas. Et le grand travail, le ministère des le ministère des Transports c'est à lui de faire le grand travail. Donc, euh, après ça, ils doivent arranger les routes. Les routes bitumées, quand tu vois la route euh, Tawa-Agadez qui n'existe même pas. Arlit-Agadez, la même chose. Zender aussi, Agadez, la route. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons 75 ou 60% de nos routes qui sont délabrées Pour agglomération. Et dans même les villes, vous avez vu, c'est pas ces derniers jours où on a commencé à colmater les routes de Niamey. Vous avez vu. Et ils ont, Dieu seul sait combien, combien de, morts, combien d'accidents ces nids de poules ont causé. Donc, la, 80% de la responsabilité vient vers l'État parce que c'est l'État même. Euh, la sensibilisation euh, pour euh, accepter d'aller faire la visite technique, connaître quand même l'état d'une je pense que. à est-ce qu'il faut bousculer les gens pour qu'ils aillent euh, faire la, visite le, euh, euh, le meilleur moyen, c'est la sensibilisation. Connaître Parce que c'est nouveau. Les gens ne connaissent pas ça. C'est nouveau, sauf les Nigériens qui sortent C'est un truc nouveau. Il faut de la sensibilisation. Vous connaissez la mentalité des, et de, nos concitoyens. Et ensuite, il faut sensibiliser pour connaître le bien fondé de la chose. En ce moment, les gens vont. As vu, même nous, on dit, souvent les, les médecins, les, les, docteurs nous disent, allez faire le sport. Le sport est important pour ta santé, le sport c'est la santé, des choses comme ça. Mais les gens ne le font pas. Hein? Donc il faut continuer à sensibiliser. C'est pourquoi j'ai dit le travail même en amont qu'on devrait faire, c'est d'abord, avant même de commencer, de sensibiliser, de montrer aux gens le bien fondé et la sensibilisation ne doit pas s'arrêter, ça doit être continuel jusqu'à ce qu'on ait au moins 50% des gens qui ont pris conscience, qui sont d'accord. Oui, mais quand on dit on va forcer les gens, les gens ne vont pas. Les gens ne vont pas aller. Ils vont dire qu'ils ah, ne vont pas faire, ils ne vont pas faire. Et ça va coûter que de problèmes. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas euh, suffisamment sensibilisés là-dessus. Oui, il faut. C'est comme un enfant. Ton enfant, tu te dis, ne fais pas ça. La mère éducation lui dit pourquoi tu lui as dit de ne pas faire Parce que lui, il va toujours se poser la question. Il faut toujours lui dire que voilà le pourquoi que je t'ai dit de ne pas faire ça ou le pourquoi je t'ai dit de le faire. C'est une éducation. C'est ça la sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens. Et ça, là, je pense que l'État, on doit revenir encore. Parce que ce n'est pas parce que vous avez signé un partenariat avec des privés que vous allez abandonner tout. Non. Il faut aussi avoir un œil c'est des défenses il faut appuyer. Il faut appuyer parce que si vous laissez les gens, ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas les moyens, ils continuent. Donc, le tout reviendra encore sur ton dos. Donc, au nom de la sécurisation de la population, je pense que on ne doit pas abandonner c'est secteur parce que l'accident, les accidents tuent plus que les sida au Niger. Les gens ne connaissent pas. Les gens ne savent pas, les gens ne sont pas conscients. Donc, la meilleure sensibilisation, ou celui qui doit faire, c'est l'État à travers cette agence-là qui, jusqu'à présent, n'a pas vu le jour. Aboubakar Hakibou de la Direction générale de la Société nigérienne de contrôle automobile SNCA, vos propositions de solutions euh, Je crois que <coughs> Gamati a un peu résumé ce que je devais dire, <coughs> c'est-à-dire l'État en signant certains protocoles avec les autres États telle que l'harmonisation du contrôle technique à travers des directives, doit appuyer des promoteurs qui, réellement, parce que c'est des risques qu'ils ont pris en investissant, l'État doit les accompagner. Ne serait-ce que, euh, effectivement, la sensibilisation, l'information, parce que les citoyens attendent toujours, qu'on le veuille ou non, même dans le cas où certains savent que c'est bien pour eux, ils ne vont pas partir. Mais comme la loi l'exige, si l'État appuie un peu cette société, en plus de la sensibilisation, cette société va se porter mieux. Et euh, je vous dis la volonté que ces promoteurs ont pour réellement couvrir tout le pays. Ils ont cette volonté parce qu'ils sont conscients de l'importance de, l'activité. Et la preuve dont j'ai eu à vous le dire actuellement, le Niger préside l'association des inspections techniques euh, de l'UMOA, de l'Afrique, pardon, de l'Afrique, et mon dernier mot serait que, effectivement. Euh, Avant votre dernier mot, ici, est-ce que au niveau de votre centre, est-ce qu'on fait la contre-visite Oui, il y, a la contre-visite qui se fait. Parce que tout simplement, la contre-visite, c'est quoi Par exemple, aujourd'hui, euh, si un policier il prend votre véhicule, qui, parce que quand vous sortez du centre, vous avez votre visite. S'il y a des pannes apparentes graves, il retire la visite, il vous demande d'aller réparer et de faire ce qu'on appelle la contre-visite. Bon, c'est des cas que nous, on n'a euh, jusqu'à présent pas vu beaucoup. Bon, ah, allez-y, euh, votre dernier mot. Voilà, mon dernier mot, c'est vraiment euh, de dire à nos concitoyens que ce centre est pour eux. Et ce centre vient en appui pour la sécurité des, des, usagers et des personnes et de leurs biens et que réellement notre volonté est de couvrir l'ensemble du territoire national et que je lance aussi un appel parce que euh, il ne faudrait pas attendre à ce qu'on euh, vous verbalise pour que vous couriez pour venir à la visite technique. Dès que la visite technique expire, c'est un an. Vraiment, euh, je vous invite à venir au centre pour les formalités de visite technique. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu. Nous étions avec euh, Aboubakar Kibou, représentant la direction générale de la Société nigérienne de contrôle automobile SNCA. Nous étions également avec euh, Gamache Mamadou Yansambou, secrétaire général du syndicat national des conducteurs de taxi, Cinco euh, au taxi. Nous avons également invité Aliou Morou, qui est le président de l'ONG Fonday Mabourimé. Malheureusement, ce dernier n'a pas pu prendre part à ce forum. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangu Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence, avec nos 31 radios partenaires, une autre thématique. Merci, au revoir.